Auditeurs, auditrices, bonjour. Bienvenue dans ce dernier rendez-vous de la semaine de l'émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Salamatou Kadiri, avec moi Olivier Assogbabi. De l'autre côté du miroir, la technique, il y a Mustapha Ayuba et Adam Adonwaki, notre chef d'édition. Oli Choco, bonjour. Bonjour Sali, comment tu vas ce matin Je vais super bien, Oli Dieu, merci. Abonne-nous au menu d'aujourd'hui. Écoute, pour ce vendredi, il y aura de la musique. D'ailleurs, c'est l'habitude chez nous ici. Et dans l'entretien du jour, on sera avec Aladdin Maïga qui est de retour du FESPACO et avec lui, chers amis auditrices et auditeurs, nous ferons le point sur la participation du Niger à cette 28e édition. Le Niger sur Kalangou, c'est aussi de l'actualité avec le flash d'information avec Ali Tajissir qui est avec nous. Et comme tous les vendredis, il y a la revue de la presse présentée aujourd'hui par Mokhtar Hamodou Pour la rubrique Écho des régions, nous irons dans le manga à Difa. Eh bien, le sport, ça fait du bien à la santé, raison pour laquelle il y aura du sport, la culture linguistique et le message laissé par nos auditrices et auditeurs. Sans plus tarder, nous retrouvons Ali Tahissir pour le Flash Info. Oui, aujourd'hui nous allons parler d'abord de, lors du Conseil des ministres qui s'est réuni hier, le gouvernement a adopté le plan d'action de la politique humanitaire et de gestion des catastrophes pour la période 2022-2026 avec un budget près de 200 milliards de francs CFA. Ce plan va s'attaquer aux causes profondes des vulnérabilités, assurer l'assistance humanitaire nécessaire pour sauver des vies et renforcer la résilience dans la communauté affectée ainsi que la recherche des solutions durables, indique le communiqué du Conseil des ministres. Rappelons que la politique humanitaire et de gestion des catastrophes a été adoptée depuis avril 2020. Ensuite, le ministre de la Santé publique a réceptionné un don de trois lots de médicaments de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées, d'un montant qui s'élève à plus de 780 millions de francs CFA. Ces médicaments vont être distribués dans toutes les régions du Niger pour faciliter la prise en charge gratuite de plusieurs maladies comme la lèpre et la schistosomiase, appelée en Hausa Tsutsanchiki. Nous terminerons par euh, les élections au Nigeria. La Commission électorale du Nigeria a annoncé que les élections des gouverneurs et des députés locaux prévues le 11 mars sont reportées au samedi 18 mars prochain. Un tribunal nigérien a autorisé de reconfigurer les machines utilisées lors de la présidentielle, une décision jugée trop tardive et l'opération prendra du temps, selon le communiqué de l'INEC. Merci Ali Tajissir pour euh, ces infos fraîches. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Merci Ali Tajissir. Au lieu, dans quelques instants, nous allons écouter l'interview que nous a accordé notre invité du jour à la personne de Aladdin Meiga qui était au FESFACO édition 2023. Bien avant, c'est le moment pour nous d'apprécier le titre Cousinage de Altes le Slammer. Cousinage. Cousinage cousinage. Ce slam est un slam d'esprit. Pas d'esprit qui hante nos esprits, mais d'esprit et prix d'esprit qui donne esprit et vie à nos esprits qui se font hanter par des esprits sans vie. Je me réjouis de voir les amis et les chéris qui sourient. Et malgré la chaleur des mots et la mélodie, je sens que par ici il y a trop de soucis. Alors, il vous faut un truc qui sourit. Je m'en fous, même si le texte n'est pas trop réfléchi comme la poésie lourde chez Grand Corps, Kerry ou je ne sais qui est qui. Alors les amis, détendez-vous. Ce soir, je suis un voyou. Un voyou avec toutes les ethnies, parmi toutes les ethnies, contre toutes les ethnies, et au finish, pour l'union de toutes Déjà vu vos regards et vos humeurs, je peux dire qu'entre nous, on se silte, on se clash, mais jamais on ne se touche. Parce qu'on est les Parce qu'on est les couses. La carte de l'IAM se pavane en caravane, comme une colombe et transmet la paix de l'âme à toutes les âmes qui tremblent par la menace des flammes des hommes sans âme. Premier jour, j'entends Bienvenue à Dosso. Bienvenue chez les Allemands. Bienvenue aussi à Los Angeles. Ici, on est tous euh, fumeurs, drogués, sous Un conseil pour toi, mon frère. À Dosso, le plus sage, c'est le soulard qui réserve sa bière quelques jours d'avance. Puisque je ai vu de mes yeux, mon frère, l'on peut faire le tour de neuf bars à la recherche de la bière. Arrivé au dixième bar, toujours RAS. Il dit Mais vous là, vous êtes quel genre de gens Je vois la bière classée dans les frigos et vous me dites qu'il n'y a pas de bière Et d'un regard et d'un sourire trop moqueur, le serveur lui répond par se dire Ah, figa ya angoya si quelqu'un s'agite j'augmente le fait qu'il tente de télécharger quelques bouteilles de bière sur internet et oui je le dis puisqu'entre nous on s'insulte on se clash mais jamais on ne se touche parce qu'on est des cousins, parce qu'on est des cousins. deuxième jour de 5 heures du matin, j'entends. Nama nama, suya suya, Dama ba Bienvenue à Maradi. Poumon de l'économie de mon pays. Ici, pas besoin de prof de diplôme pour avoir un staff pour faire son business et émerger dans son commerce. On est tous de nature, Adam Smith ou Kate. Un conseil pour toi, mon frère. À Maradi, plague avec la vie des Mogobiri, mais jamais avec son coulis. Oui, je le dis, puisqu'entre nous on s'incite, on se clash, mais jamais on ne se touche, parce qu'on est des causes, parce qu'on est des causes. Bienvenue tout simplement à la région des mille collines. Avoir les regards et C'était cousinage de Altesse le slammer. De son vrai nom, Abdoulaye Seydou Suleiman, Altesse est un artiste comédien, humoriste et animateur. Il a débuté sa carrière artistique de son bas âge. Grâce à son sens d'écoute, il s'inspire de ses grands-parents détenteurs de la source intarissable de proverbes et d'enseignements de vie, mais aussi de ses liens d'amitié. Comique de nature, Altesse le est à horreur Altes, le slammer a horreur de la tristesse. Il laisse des blagues et des taquineries Partout où il passe, le plus important pour lui, bah, c'est de laisser des portions de sourire. Chers amis auditrices et auditeurs, aujourd'hui, Abdelrachid Maïgadi Aladin va nous parler de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESFACO, qui s'est tenu, tenu, du 25 février au 4 mars à Ouaga. Nous ferons un zoom sur la participation du Niger à cette rencontre cinématographique. Aladin Maïga, bonjour. Bonjour Olivier. Tu reviens fraîchement de FESPACO. Comment a été cette édition voilà, alors Olivier, je vais te dire que le FESPACO cette année, la 28e édition du FESPACO, ça s'est très bien passé. Au début, les gens avaient un peu peur pour les conditions de sécurité. Les gens se disaient, est-ce que ça va se faire Est-ce que ça ne va pas se faire Mais finalement, le FESPACO s'est fait et très bien. Et ce FESPACO, je dirais aussi que c'est la célébration du mariage entre le Burkina et le Mali, parce que Mali est invité d'honneur du FESPACO et presque toutes les activités ont tourné autour de la cohésion sociale entre le Burkina, le Mali et la participation du Niger a été formidable parce que euh, nous avons remporté déjà quatre prix et deux mentions spéciales du jury. Et aussi, il y a eu beaucoup de personnes. Nous avons 5 000 à 10 000 personnes qui ont participé au FESPACO. Donc, je pense que le FESPACO s'est bien passé cette année. Pour toi, qui es un habitué de ce festival, c'est pas ta première fois, ça sera pas aussi la dernière fois. Qu'est-ce que cette édition a eu de spécial La Caractère, vraiment, c'est euh, la paix et la sécurité qui a été mis au centre des activités et je crois les films qui ont pu, eu le plus de prix spéciaux. Et même le deuxième grand prix, long métrage fiction, Les Talons d'Argent, je pense, c'est un film qui parle de la sécurité et tout. Donc vraiment, je pense que la, la particularité de cette année, c'est que la sécurité, euh, la paix, la cohésion sociale, la promotion de la paix, la cohésion sociale était au centre de toutes les activités. Aussi, le FESPACO de <laughs> cette année, il faut le dire parce que c'est le Niger. On n'avait jamais enregistré euh, la culture touareg qui a été transportée sur les lieux du FESPACO pendant la fête. Alors, ça, c'était une nouveauté. Ouais, c'était une nouveauté, ça ne s'est jamais passé. Donc, mm. ils ont, il est venu, il a placé sa tente touareg à euh, la musique touareg et c'était vraiment l'attraction de cette année. Il y a beaucoup de jeunes, ils ont amené les étudiants, des élèves, des enfants pour aller à la découverte de cette culture nigérienne, euh, de cette culture touareg et euh, ça s'est bien passé. On est à l'ère du digital. Le FESPACO sait aussi sur les réseaux sociaux que cela se passe. Il y a aussi des influenceurs qui étaient là et tout. Eh ben, toi, en tant que réalisateur aujourd'hui et aussi quelqu'un qui est actif sur les réseaux sociaux, ben, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience-là Parce que la totalité des reportages qui ont été diffusés par le studio Kalangu, ben, c'est toi qui le faisais Comment tu t'organisais pour faire ce travail-là Heureusement que le digital existe, heureusement yeah. que Internet existe, parce que il fallait faire vivre aux gens le FESPACO en mm. temps réel. Ça ne sert à rien d'aller au FESPACO, de faire des vidéos, de faire des reportages, de laisser et après le FESPACO diffuser. C'est comme si on est en retard. Et les gens avaient envie de suivre le FESPACO en direct, de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les Nigériens font là-bas. Moi, personnellement, ma motivation, c'est que euh, déjà, j'étais en mission du studio Kalango pour euh, à couvrir le Facebook Donc l'intérêt que j'ai, c'est que nous ayons des vidéos chaque jour et en temps réel. C'est-à-dire que tourner, monter, diffuser. C'est pas facile, mais comme on a un très bon débit d'internet, donc quand je finis de tourner, de faire les interviews, le soir je viens, je monte, ou même dans la journée je viens, je monte, et grâce à internet on envoie. Et quand tu parles de digital, je pense que c'est très important de parler de digital en dehors même du fait qu'il y a la diffusion de tout ce que nous faisons, de tout ce que les FESPACO fait. Euh, le digital est super important pour les FESPACO parce que tous les films qui ont été diffusés et tout les programmes du FESPACO, euh, ce qui va se faire, tout ça, c'est grâce au digital que les gens ont les programmes sur leur téléphone. Tu sais où est-ce que tu vas aller, où est-ce que tu vas diffuser. Malheureusement, les films ne sont pas diffusés en ligne et ça, c'est normal pour des questions de droits d'auteur et tout ça. Mais vraiment, je pense que le digital a une place très importante au niveau du MICA, le marché international du cinéma. Quand tu rentres au MICA, tu vas avoir des web TV, tu vas avoir des, des, des journaux en ligne et tout. Et toutes ces personnes-là sont là pour se faire des réseaux afin de trouver les moyens de pouvoir mettre ces films-là sur le digital en dehors de, de la couverture, mais aussi pouvoir à vous donner accès aux autres avec des partenariats pour que toute la grande population le, puisse avoir accès à ces films-là. Je te rappelle que c'est des films d'auteur. Si tu n'as pas un bon réseau, tu ne peux pas <laughs> regarder ces films-là qui passent au Facebook. Merci à la Maïga pour ces informations précieuses. On va mettre une petite pause et continuer des échanges avec toi dans très peu de temps, mais pour le moment, c'est la pause pour suivre la revue de la presse de Monsieur Mokhtar Amadou. Mokhtar Amadou, bonjour. Bonjour Olivier Asogbavi, bonjour Salamatou. À l'approche du ramadan, les autorités surveillent les prix des denrées alimentaires au Niger, s'exclame le quotidien Moria. Et oui, à moins de trois semaines du début du ramadan, le journal nous apprend que les prix des denrées de première nécessité sont euh, plus qu'à toute euh, autre période euh, de l'année et ce, n'est pas, et ce ne sont pas les consommateurs qui ont le monopole de cette surveillance. Les gouvernants de la République y prêtent un œil tout attentionné. Ainsi, dans une missive en date du 27 février 2023, le secrétaire général du ministère du Commerce a informé son homologue des Finances de la situation des prix sur le marché national. Il s'agit principalement du sucre, du lait, de l'huile végétale et du riz. Insécurité nocturne à Niamey, la persistance du fléau malgré les efforts de la police, alerte le quotidien L'enquêteur. D'après le journal, jusqu'au début de la décennie 2001, les agressions armées nocturnes dans la rue n'étaient pas courantes dans les quartiers dits populaires et ceux du centre-ville de Niamey dotés d'éclairage public fonctionnel. C'est surtout dans les quartiers périphériques de la ville que le phénomène s'observait. Aujourd'hui, presque aucun quartier de la capitale n'est épargné par cette forme d'insécurité entretenue essentiellement par des bandes euh, de jeunes brigands à pied ou à moto. Le constat est alarmant, s'exclame l'enquêteur. Hors de nos frontières, le journaliste togolais Ferdinand Haïté, directeur de publication du journal L'Alternative est porté disparu depuis dimanche ont rapporté ses proches sur les médias sociaux, citant ainsi titre le journal L'événement. Selon le journal, après avoir reçu une convocation du service central de recherche et d'investigation criminelle pour comparaître le dimanche 5 mars 2023 à 15h, Ferdinand a été reste introuvable après être sorti pour des courses aux environs de 9h à poster un de ses proches. Ferdinand Haïté, est-ce un Martinez Zogo encore s'interroge de son côté le quotidien Mouria. Que se passe-t-il dans le monde journalistique en Afrique La question mérite d'être posée après les événements malheureux qui ont frappé la famille de la presse en Afrique ces derniers mois. Martinez Zogo, un journaliste d'investigation camerounais qui enquêtait sur euh, les affaires de corruption dans ce pays fort taxé de la chose, avait été retrouvé mort et son corps horriblement mutilé le 22 janvier dernier. C'est tout pour ce flash, euh, c'est tout pour euh, la revue de la presse hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangou excellente suite du programme en compagnie de nos collègues Olivier Asokbavi et Salamatou Kadri. Merci beaucoup, Mokhtar Amadou. Et petite précision, le journaliste est réapparu et le ministre de la Communication togolais a réagi sur Twitter face aux interrogations des internautes. Ah, quelle bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Merci beaucoup Mokhtar Hamadou pour la revue des journaux. Nous revenons à notre invité du jour, Abdelrachid Maïga. Ce festival réunit les plus grands réalisateurs et producteurs d'Afrique et cette année, la participation du Niger a été marquée par plusieurs prix remportés. Le MICA vient à point nommé pour répondre à des questions des réalisateurs et des producteurs. Qu'est-ce que nous n'avons pas en Afrique ici C'est des plateformes d'échange. Et au niveau du FESPACO, au niveau du MICA, cette plateforme a été créée spécialement pour cela, parce qu'il y a des producteurs, des maisons de production, il y a tout. Tout ce qui concerne le cinéma, ils viennent, ils ont des stands. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Si tu as un projet, tu viens, tu te présentes au niveau du stand de la personne, vous discutez de ton projet, vous voyez la faisabilité. Et si ton projet l'intéresse, il va investir de l'argent dans ton projet et toi, tu vas réaliser ton projet, tu vois. Et ça, c'est très important parce que pour faire un film, il faut de l'argent. Tout le monde est ouvert. Qui sont ces gens-là Est-ce que des producteurs Est-ce que c'est des, institutions Est-ce que c'est des individus lambda Est-ce que c'est des mécènes Qui sont ces gens Il y a les mécènes, il y a les, les maisons de production, il y a les institutions nationales, internationales il y a les grands guichets, tout. En fait, il y a les télés, tous. Parce que la production, c'est quoi C'est soit les maisons de production qui investissent euh, leur argent, soit les télés qui achètent les droits de diffusion, soit les guichets qui donnent de l'argent pour que les films puissent voir le jour, euh, soit les fondations, etc. Donc, vraiment, le marché, je pense que c'est une très, très, très bonne idée et ça permet à beaucoup de personnes de créer un vrai réseau soit de distribution de films, soit de production de films. Alors là, le Niger y était. Ce qu'on peut retenir pour cette édition, il y a eu des prix, mais avant les prix, sur euh, cette avenue, il y a eu le statut de Umar Ouganda qui a été érigé aux côtés de ses pères cinéastes. C'est l'occasion de rendre hommage à Aisha Maki qui s'est battu pour que cette statue voit le jour parce qu'il faut se rappeler que Oumar c'est le premier étalon du FESPACO. La première édition, c'est lui qui a gagné le FESPACO. Donc, et voir que cette personne n'est pas présente, on appelle ça la rue des artistes. C'est que c'est une rue sur laquelle tous ceux qui ont gagné le, les d'or il y a leur statue qui est érigée et en face de la statue, en fait, il y a un très grand monument qui est sous forme de rond et le monument, c'est une caméra. C'est comme si les, les, réalisateurs regardent vers la caméra. C'est magnifique, c'est artistique. Et voir que notre euh, compatriote Omar Ganda n'est pas sur cette voie-là, sa statue n'est pas présente, c'est vraiment quelque chose qui, tous les réalisateurs nigériens n'étaient pas fiers de cela. C'est pas bien pour le pays et ça donne pas une bonne image pour le pays. Donc, après plusieurs... Euh, euh, années de demandes de lutte. Vraiment, qui a pu soulever des fonds avec la DEP et qui sont allés faire le truc. Et c'est vraiment un honneur pour nous et c'était aussi une sorte d'attraction parce que tout le monde était là pour l'inauguration de la statue de Omar Ganda, un très grand cinéaste nigérien qui manquait parce que tous ses pères, les gens avec qui il avait travaillé, pardon, ses collègues, ils sont tous fiers de voir Omar Ganda, la statue de Omar Ganda parce que c'est ça, cette statue seulement qui manque. Et cette année, vraiment, nous étions contents de voir la statue de Omar Ganda et je crois que ça ne peut que faire du bien pour l'image du Niger euh, à l'international. Et, aussi, s'il y a quelque chose qui a fait du bien à l'image du Niger à l'international, c'est aussi les prix. Qu'est-ce qu'on peut retenir, à part cette statue, bah, qu'est-ce qu'on peut retenir de la participation du Niger à cette 28e édition du FESPACO La participation du Niger a été vraiment étincelante, je, je l'ai dit. Pourquoi Parce que au début, nous avons un seul film. Enfin, mm. pas au début, mais même à la <laughs> fin, nous avons un film qui était en compétition et les gens étaient sceptiques, il y a des doutes et tout, mais finalement le film, il a très bien brillé parce qu'il a été très bien fait par Amina Abdullah Mamani qui est la réalisatrice coproduit par Tabou Production de Aisha du Niger et Diam Production de Michel Zongo du Burkina, tu vois. Donc le film c'est un film qui parle aussi du terrorisme, tu vois, une qui est chargé d'aller se faire exploser dans le marché, voilà. <laughs> <laughs> Donc, le film a remporté quatre prix spéciaux et deux mentions du jury. Je pense que le Niger a bien brillé là-bas et nous, nous ne pouvons que souhaiter bon vent pour ce film et nous espérons que ça va faire le grand tour, le tour du monde. Ensuite, il y a Gentil, le Nigérien Gentil qui a fait le concours de slam d'or FESPACO. Il est sorti deuxième du, du concours après le Burkina qui est le pays organisateur. Et voilà, je pense que les Nigériens, se fassent pas con, le Niger était bien présent. Nous n'avons pas été derniers, nous, avons, nous avons été quasi premiers. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Et ça prouve que le travail est en train d'être fait, que le cinéma nigérien a des beaux jours. Le cinéma nigérien a des beaux jours et j'espère que les cinéas seront plus inspirés et les moyens y seront pour qu'ils puissent nous donner bah, de belles œuvres. Merci Aladdin d'avoir passé. On se retrouve quand tu veux, tu es à la maison, ici c'est chez toi. Oli Choco, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire et aujourd'hui nous allons parler de la culture. Oui, nous allons parler de Wassar Korabori, un rituel culturel organisé chaque année dans la ville de Tawa. Le culte est pratiqué dans le but de sécuriser la population des mauvais esprits. C'est aussi l'occasion pour les maîtres de cérémonie de solliciter la protection des génies. Mahamidou Habibou, chef des animistes de Tawa, nous explique comment se fait le rituel. Il est au micro de Idrissa Adamou. ita wannan korar al'ada da ake cema korar bori da ake yi lokaci zuwa lokaci muna iya musan asalin yin ta yaushe ne ta samu tushe tarihi wannan na al'ada na korar bori ta tun daga kakin nan kakin nan muna kuma ta tun daga agayya har ya zaka ga gayya har zaka ga mai yaki har zaka ga ubanmu habibu yau har ya kawo gare ni ni yau matsayin sarki na hudu nake tun wannan zamani zauke yanzu ita wasan korar bori a wani lokaci ne ake gabatar da ita lokacin da mu muka yinta cikin watan biyan na muka yinta radda ya kai kwana goma sha biyar ko kakin mu fara mu sai an fara da matsawa ta masalata su masalata cikin watan hudu suka watan al'ada watan hudu kan kwana goma sha hudu suka wannan wata al'ada ta su. sa'an nan kuma ita kuma kwallon ma sai ta yi ita ma cikin watan hudu ta kai in wata kai kwana goma sha bakwai ta kayanta yannan kuma ta komo nan gare mu nan tawa cikin watan biyar watan biyar iya ya kai kwana goma sha biyar ranar mu kuma duk inda duniya take tana nan bakin gidanmu. kafin yin ita wasan koren bori me ake tanadawa don gabatar da ita. ana tanada abubuwa kashi-kashi tunda muna yin bagai muna yin gumba muna yin zardaɓe kakin wannan lokaci shi zaka duk wurin da adda iskoki waɗanda mun ka gada waɗannan abubuwa muna zuwa mu kai su mu yi roƙon iskoki ƙasa ta zamna lahiya radda za a korar bori ranna aka yin zardabe dawakin bori dawakin asina su ga zakkuwa su yi shi da dawakin cikin gurmawa a ba a asina su ci wannan zarrabi to da murice ana tara yan bori da daman gaske amma da kiɗe-kiɗen ƙwarya da makamantansu duk wannan suna cikin tsarin waɗannan abubuwa na gargajiya yanzu borukan daga taya wurin wattan hwama wuri guda na muka zuwa a zo a zamna tare da su dawakin asinan boruka yan asinan nan sun ka kama yan nan babulu ta kama babulu su addiyan su su ga tare da asinan boruka wurin korar bori to mu zakara guda na muka aiki da shi muna aiki da maraki muna aiki da bunsuru waɗanda muka yi bunsuru ran maricen kura ni ka yanka ne da zakaran shi kuma maraki radda za a kora ran nan aka yanka ne can matsawa inda aka aka zuwa wurin wurin waɗannan abubuwa to mu dai wajen mu ko horin abu mun ka samu shina yi kuma jan abu mun ka samu duk shina yi maraki kuma kowane iri mun ka samu baki na ja na duk shina yi wari dai ba mu dishi to wace kariya take kama al'umma tana ka kariya saboda akwai iskoki waɗanda ga shekara suna shigo a cikin gari in sun ka shigo cikin gari in ba ai waɗannan rawaya ta gari ba gari bai zama lahiya sai kaga kana kwance kana zabura kana maliki ko kana ganin wasu iskoki na zakwa suna hana mu ɗiyan jin daɗi amma da ai wannan al'ada ta gargajiya ta shekara daga nan kowa sai samu lahiya kuma mu samu shekara mai albarka ga misalin dai korar bori tun zamanin waɗancan namu na da to shekarar ta metin ana iya a yi su ɗari biyu ana iya a yi su su rashin korar bori shina ka matsala tunda nan dai wa nan dai ainihin ta duk kasar tsahi ta to kamar wajen ta da abin suwa ne ke kama muku wajen samu sabke nauyin sayan wa'annan abubuwa kuma a shekarar bana wacce rana aka tsira domin gabatar da ita wannan wasan kura bori anan tawa masu kama muna waɗannan abubuwa aiki na na kasa. ba rike ita ta gaba da abin da za mu taya mu ziyarta da wannan aiki inda duk bata ba mu ba kuma sai mu yi zaman mutum da aiki na na kasa. ƙasa talata aka yin ta kuma da Merci à Idrissa Adamou. Espérons que cette tradition sera perpétuée pour le grand bonheur de ses adeptes. Chers amis auditrices et auditeurs, que vous nous écoutez dans les huit régions du Niger grâce à nos radios partenaires, vous le savez très bien, la musique, elle est hyper présente chez nous dans le Niger sur Kalangou. Et vous savez quoi On va voyager, on part à Zender. À Zender, à la rencontre de Sani Aboussa qui nous chante l'amour, du love, tout ce que vous voulez. Aimez-vous, c'est l'essentiel. wai ina ce ma bintu zo sai ta ce ai suwa ni ausa ai suwa ni ausa kala zara masanin wayo na. samun masoyi lalle akwai shi wuya an da kunji yanda na yi na samu ba kwa iya ba na so iya sosai mai hankali da lura Allah ya haɗa mu da bintu mu so junanmu mu in na ce bintu zo sai ta ce ai suwa ni hausa ai suwa ni hausa halakar masar iyo wayo kaita wai in na ce bintu zo sai ta ce ai suwa ni hausa ai suwa ni hausa now. de Feu Sani Aboussa dans cette chanson. L'artiste Feu Sani Aboussa nous enseigne qu'en amour, il n'y a pas de frontières, ni de races ou de culture, d'où sa citation Aïswani Hausa Kala Au lit, après cette belle mélodie, destination d'IFA pour notre reportage régional. Destination d'IFA, oui, je suis d'accord avec toi parce que là, là, nous allons faire un constat, un constat bah, un peu malheureux un constat des autorités sanitaires qui nous en parlent un peu plus. Oui, un constat que les autorités sanitaires euh, qui les prennent en charge après leur découverte. Mais les responsables de la région se sont engagés à prendre des dispositions pour remédier au problème. C'est ce qui ressort dans ce reportage de Gidi Abdraman. Adifa, certaines filles, après avoir donné naissance à leur bébé, se débarrassent de ces derniers dans la rue ou dans des buissons. C'est ce qu'a déclaré Madame Mamadou Fatigarba, gestionnaire de cas à la direction départementale de promotion des femmes et de la protection de l'enfant de Difa. yara za su kai uku da aka samu an yada mun lura da cewa abin karuwa yake duka yawanci dai wannan yaran a yanda ake samun su kamar an aihe su da sabu. bai huce wani awa ɗaya biyu haka ba za ki gani an samu waje ko cikin daji haka inda babu mutane ki gani an sa su cikin tsumma an je an kai su kasan wani inuwa an lullube su an yada su akwai wanda muka samu ma wanda ko cibiya ba a yanke mishi ba kuma akwai wanda ake samu cikin likita ma cikin gari haka ana zuwa a yada to wa'annan yara in mun samu mahiya yawa kin san in a cikin le nouveau né une fois récupéré est mis à la disposition des autorités sanitaires et sociales sont pris en charge et placés dans des familles d'accueil en attendant la suite de la procédure docteur Seydou Amadou pédiatre et chef des services au niveau des centres mères et enfants de DIFA explique. Nous rencontrons beaucoup de cas des enfants qui ont été abandonnés et très souvent c'est des enfants euh, qui sont de nouveau-nés. Donc juste après l'accouchement, la mère l'abandonne et euh, l'enfant, souvent à l'arrivée, il est dans de mauvaises situations. Donc, euh, on constate que euh, très souvent, il y a quand même la fraîcheur, surtout au temps où il fait frais. Donc, l'enfant a une hypothermie, ou bien il est malnutri, ou bien il a une hypoglycémie. Donc, ces enfants, très souvent, nous les prenons en charge au niveau du centre mère enfant de DIFA. Et à l'arrivée, nous, notre mission, c'est de les examiner pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter pour sauver ces enfants. Donc c'est un phénomène qu'on constate euh, euh, assez souvent dans cette région. C'est des pratiques qu'il faut vraiment euh, laisser. Madame Hawa Ali, habitante de Difa, et mères de famille appellent à la vigilance de la société et attirent l'attention des jeunes filles sur l'abandon des nouveau-nés. Jama'a dan Allah wanga tabi'a da muke yi bai kamata ba. A matsayina na uwa zan yi jan kunne zuwa ga ƴan na mata. Wanga abubuwan da suke bai kamata ba. Eh mana in ka san abin zai zo matsala har ka yadda shi ko ka zubda cikin ai bai kamata ma ka yi abin da hakan zai ta faru. Allah ma da ya kiyaye. Jama'a dan Allah yana ja muku kunne mu kiyaye mu kiyaye mu daina addini bai ce hakan gaba. ka san zunubin da Allah zai rubuta maka ba ka san yaron irin baiwar da Allah ta mishi ko kuma gobe zai amfane ka hayya amfani wa'ansu a dalilin kam a dalilin shi ma ko a saka aljanna mu kiyaye dan Allah au vu de la récurrence de ce phénomène dans la région de Difa les autorités se sont engagées à prendre des dispositions pour remédier au problème Gidi bonjour Bonjour et dans la région de Manga, des nouveaux-nés sont retrouvés abandonnés dans la ville de Difa et parfois même en milieu rural. Est-ce que cette année 2023 aussi, des cas d'abandon de bébés ont été enregistrés euh, cette année, on n'a pas eu euh, ce, ce cas-là, mais en 2022, fin 2022, on a eu ce cas-là. Eh, mais est-ce que, oui, est-ce que les autorités arrivent à retrouver les concernés, c'est-à-dire les filles euh, Oui, certaines, on, on, les trouve et certaines, on ne les trouve pas. Parce que si vous prenez euh, les autorités avec euh, des partenaires sont en train de faire des, sensibilisations des activités de sensibilisation pour, en tout cas, avoir une solution à ce problème-là. Merci Guidi pour ces précisions marquant une petite pause. Nous poursuivons le Niger sur Kalangou avec Disport. Notre chroniqueur Adam Sari, Sariou est avec nous. Adam, bonjour. Bonjour Salamatou. Adam, pourquoi, eh, Adam, pourquoi jouer le match retour en, Pourquoi jouer un match euh, les tu as quoi pour nous ce matin Excusez-moi, Adam. Oui, Salamatou, l'équipe nationale du Niger, le MENA, se prépare pour les éliminatoires de la Cannes 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire. Alors, le MENA aura une double confrontation contre les FENEC d'Algérie pour les comptes de la troisième et quatrième journée de ces éliminatoires. Et quel est le classement avant ces troisième et quatrième journées Sans surprise, l'Algérie se pointe en tête avec 6 points, plus 4. Le Niger est deuxième avec deux points, Tanzanie et Ouganda un point chacun. Adam, à, quelle date sont prévus les deux matchs Alors le match aller se jouera le jeudi 23 mars à Alger au stade de Nelson Mandela. Euh, le match retour aura lieu le lundi 27 mars au stade de Rades à Tunis. Adam, mais pourquoi jouer le match retour en Tunisie et non au Niger Alors, vous savez, le stade général contient n'est plus homologué par les instances internationales de football, à savoir la FIFA et la CAF depuis le 5 avril 2022. Donc le stade est suspendu pour toute rencontre de haut niveau y compris les matchs de l'équipe nationale A. Il paraît aussi que les U23 sont aussi appelés en sélection. Oui, depuis quelques jours, les poulains des Akaria sont au centre technique national en vue d'une double confrontation aussi contre les crocodiles du Nil du Soudan dans le cadre des éliminatoires de la Cannes U23. Pour rappel, les U23 nigériens ont éliminé les Bissau-Guinéens et les Ivoiriens. Ils abordent à présent le dernier tour de ces éliminatoires. Et c'est tout pour cette chronique sportive. Oli Salamatou, au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci Adam. Écoute, tu passes un bon dimanche, un bon week-end déjà. merci, merci, merci, mon gars. Amis auditrices et auditeurs, c'est l'heure de découvrir notre étoile du jour. Et celle que nous allons vous présenter s'appelle Madame Ibrahim Ajia Meram. Oui, Madame Ibrahim Ajia Meram est une entrepreneur dans le domaine de la parfumerie, notamment la fabrication d'encens et les senteurs pour le corps. Âgée d'environ 60 ans, Meram a formé également beaucoup de jeunes filles comme garçons dans la préparation des différentes senteurs. Les senteurs, un domaine dans lequel les femmes du manga ont construit leur légitimité. Portrait proposé par Rakia Harimi. Uwar gidar Ibrahim Hajiya Meram 'yar jihar Difate babban aikin wannan mata mai shekaru 60 da haifuwa shine hadawa da sayar da turare da aka fi sani da turaren wuta a yaren Hausa dugu a yaren zabarmanci. Haɗi ne na gargajiya na itace masu kamshi ko 'ya'yan itace a haɗa su da turare masu kamshi tsawon kwanaki da dama. Hajiya Meram ita ce shugabar masu sana'ar hannu ta jihar Difa ɗaya daga cikin wa'anda suka fara halartar kasuwar baje koli na Safem a shekarar alif dubu biyu bisa ga bayannanta. Talaren wuta ne aiki na. Kan katar kati dai ina sai da talaren wuta a nan yame. Femi eh, yantala ke saidawa. A gwangwani muke saidawa. Muna yawo haka a biro biro sai aka fara safen. Sai muka ɗauki dan talare mu muka zo. Muka yi talare muka saida muka ji dadin safen. A ni kantite da na fara bai wuce ba ko senkant mil haka. Ana kara ana kara da mashallah yanzu kuma. Ya kai so hamsin in ba hi ba. Kullum kara ne ake. Yau in hamsin ne in sha Allah fuwar mai zuwa abinda ta mu kawo Allah kaɗai ya sani. An da fuwar kullum kowane shekara ana yi. Dawar haka mun fi karhin wannan. Dan ma a shekara biyu zuwa shekara haka dai ne fuwar ake yi. Yau Madan Ibrahim ba ta buƙatar haɗa abubuwa da kanta shekaru da dama kenan da Mairam ta ɗauki mutane aiki. Yanzu ma yara suke mana aiki ya kai shekara goma daban na yin tulare amma ina zamna ni ne nake ce musu su sa kaza su sa kaza yau ko ina wani guri ma in ce kai ku yi bahu uku yanzu yanzu maza ina so in kawo sai a kawo min kuma su da kansu ma yau in bana nan ma suna da sana'a yi ta kuma koya wa mata da matasa a sassa da dama na kasar nan duk da cewa ba ta da wani kamfani a cewar ta na koya ma mutane da yawa a mai na koya musu gure na koya musu kai mata mai akwai mutane da na koya musu da yawa akwai daga difan ma in an tada su su ce to hajiya yanzu ki gwada mu yanda ake talare sai in gwada musu kowa rabon shi zai ci kai ma ka je ka yi amfani saboda wata rana yau ni ina nan gobe ban na nan da shago a cikin gida akwai kamar butik ne kowane lokaci in ka tayi akwai talare ko nan yame ina da talare ko yanzu mutum ya ce talare akwai inda nake cewa to ka je ka ɗauka a guri kaza Ilyasu Abdulkadiri yana ɗaya daga cikin mutanen da suka amfana da ilimin Hajiya Meram ya yaba da zamantakewarsu tare da irin namijin ƙoƙarin wannan matar da yake ɗoka kamar mahaifiyarsa. Hajiya matsayin uwa take gare ni, ta koya min aikin hannu, ta koya min turare iri-iri, muna zan balaguro tare, amma tun dai milima muke tare, gaskiya zaman ɗa da uwa dai muke, in na abin da bai kamata ba sai ta kwatanta min. sai in gyara ko mu ci gaba da zama a kokarin ta kai da dama ma na yabawa tunda duk wanda ya san turaren mamma in ya zo nan ga 'yan an bashi wani turare da ya je gida yana komowa A ci gaba da gudanar da ayyukanta zuwa yau, Hajiya Meram ta ziyarci kasashen duniya da dama domin sayar da turarenta. ta yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga wannan nasarar. Na ci gaba, tunda na yi ma kaina amfani, na yi ma yara na, na yi ma jama'a na. To, ai alhamdulillah, tunda ban ni roƙon wani, ko ɗiya na ban ni roƙo balle ɗan wani. To, alhamdulillah, ne yanzu kasan da na fara zuwa, Allah ya barta cikin yaranta a zamanin Gimbiya, Madan aisha Bulama, ita ta kai ni France. Daga shi ban zamna ba, na yi gambi senegal shekara goma sha takwas ina tahiya mali burkina alger libya cotonou ghana cote d'ivoire nigeria kaduna abuja allah ya sa albarka kuma ga niger kullum wannan shekara duk allah ya kamu muna zuwa kowane shekara akwai kiliyan da suke cewa an aiko musu ko ban ta yi ba muna aika alhamdulillah duk dai muna ma allah godiya a ganin uwar gidar ibrahim hajiya meram aiki ne kawai yake biyan bukata

avec la musique. Et bien, continuons avec le loti. Retia Arimi et Samira Rouafu nous proposent un sujet sur l'exploitation des élèves à l'école. L'école est un lieu de vie pour des enfants, un lieu d'apprentissage, d'enseignement général aux enfants. Donc toute pratique qui n'est pas inscrite dans le programme peut être considérée comme une entrave à l'éducation des élèves. C'est à quoi fait allusion le loti d'aujourd'hui. On les écoute. matso ki ji matso su dai za su dora mini hawan jini kokokok da mutum ne anan kokara kokokokok shigo wace ce ƙawata la metres ya ne kina lahiya hmm. hakan ya samu inda yaran ga ba su wasa cikin al'amarin karatunsu ta allah duba mini takardunsu hmm. abin ya ishe ni ya ishi rayuwata haba ƙawata ya kamata ki tambayi kanki ina ne wannan matsala ta hoto har ya sa ɗalibanki suna yin irin wannan abubuwa. Ya kai ma a tambaya a gida ne iyayensu ba su kula da su na su yi aikin da ake ba su a makaranta a gida duba ki gani ni na san dai ina ba da karatuna yadda ya kamata hmm, abu ne mai sauki ka dora mun laihi amma kai baka ganin naka to amma ni ba ma wannan ya kawo ni ba ni ba mashawarciyar makarantar ku bace to waɗi mini me ya kawo ki cikin ajina madalla na ji labarin ana cewa tun da aka fara makaranta kina aika ɗalibai gidanki don su je su yi miki wani gyare-gyare da wasu wanke-wanke da sauransu Wala, ina kika ji wannan labarin? Tsaya ban ƙare ba. An ce ma kuma har sai da sai da kike yi kuma kina ba ki suna zuwa cikin sauran aji suna saida ma sauran 'yan makaranta. Hakan yana sa karatun su bai zuwa gaba mana. Hmm, ina ruwanki, abin da nike yi cikin aji na bai kallon ki. Kuma abubuwan gada nike yi lokacin ƙaramin hutun da ake basu ne a cikin makaranta. Shi yasa nike basu suna yi mini 'yan ƙananan ayyuka na Kuma wani bi ma sai an sabka daga makaranta kenan ban ga abin da zai sa karatun karatunsa ya taɓarɓare ba ha wallahi ya da wani nuna isa fa to yanzu in wani abu ya same su bisa hanya suka yi wani haɗari mota ta buge su yaya zaki ba abin da zai same su in allah ya yarda kin san ban da nisa nan bayan makarantar nake kuma ayyukana na gida ba su ɗaukar lokaci ke ni hokin hara isata to tsaki je Kundin ofishin daraktan da ke kula da kananan karatu ya hana irin wa'annan aika-aika. Ya hana aiki ɗalibi ya hita daga cikin makaranta kuma a lokacin ƙanƙanin hutun da ake basu ne na cin abinci. Abu ne da baya da kyau, kamar kin saba ma incin a basa tarbiyya ne. Kin ga kuma hakan bai yi ba, kuma kamar kina nan ga amfani da yaren nan ne wajen neman kuɗi. Me nike shirin ji kuma nan? Kina son cewa kenan an kore ni daga makaranta? A'a, kai ki ga yi abun da ban faɗi ba. ni dai na gaya miki ki ki taka tsantsan kuma ki sau da kawa ki aikin ki yadda ya kamata kar ki ki jawo mu kanki wasu matsaloli nan zuwa gaba duba ki gani yanzu a ce inspector ya zo ko kuma shawartan ba da horo suka zo suka miki shigar bazata a wurin nan kuma suka iske babu wasu ɗalibai ya zaki hmm, ni ba wannan ne nufi na ba gaskiya ina so ne a ce na ɗan samu kuɗi na da zan sa a aljuhu kin san yanzu wannan lokacin da muke a'a gwamnati ba ta nan ga biyan ki ne biyan ki take don ki ba yaran nan horo kenan wajibi ne gare ki ki kula da aikin da suke yi a makaranta kuma ya kasance a ce su duka ɗaliban kirki ne amma ba ki za ki zama sanadiyya da zai sa su faɗi ba su gasa karatu. Hmm. laure to yanzu menene abun yi ya kai ma ki tambaya surayya bari ya kamata ki yi kawai saboda yanzu in lissafi ki gani in aka ce malamar makarantar yaran ki ta musu haka yaya za ki je mi mi <laughs> aiko ba ta ma yarda ba zan kai karanta zuwa ga wajen shugabansu. Ah, kin gani kenan ko ai babu daɗi. Laure, wallahi na gode, kuma na gane, zan kuma ja hankalin sauran abokanan aikina. To yanzu da yake na karya miki kafa, jarin shi kenan ya kare to muga ɗan biskiti nan na ni in sa ga baki na ma. <sniffs> Kwaɗai dai kai baki hita bayan shi ɗauki gashi nan. Haka kuma na ba ma yaran ma sauran in sun zo. Mm, abun da daɗi. wai yanzu ha nawa ne ke iya sai da haka ga wani ya ya ya wannan dai baki ta bayan shi <laughs> haba ina so in ji ne mana bayan kin zo kin kai ne ga inda ga bango Merci Rakia Harimi, Samira Rouafi pour ces conseils. Ces conseils que vous pouvez retrouver chaque jour du lundi au vendredi dans votre émission, dans votre programme Le Niger sur Kalangou. Et s'il y a aussi une rubrique qu'il faut toujours retrouver, c'est la culture linguistique et nous retrouvons Monsieur Alamir Ouachar. Oui, Alamir Ouachar est avec nous. Le, mot du jour est inégalité. Bonjour euh, bonjour Olivier. Inégalité qui explique un caractère, état des choses et ou des personnes inégales entre elles. Donc, euh, une inégalité, ce n'est pas égal, tout simplement. Contrairement à l'égalité, qui veut dire des mêmes niveaux semblables en nature, en quantité, en qualité, en valeur. Par exemple, quand une personne ou un groupe détient des ressources ou a accès à des biens et services socialement hiérarchisés, on peut parler d'inégalité. Prenons un exemple des élèves non-voyants dans une classe ordinaire qui n'ont pas accès à des livres de lecture en braille, alors que tous les autres élèves en ont. Cela peut être considéré comme inégalité dans l'accès à l'éducation. C'est juste une illustration, mais j'espère que le message est passé. Et le message doit également passer en tamashek. سسوي يبان سسوي يبان سسوي مرن الليد نت سسوي المثال سا أرتوي قلنا يبان سسوي وين أتي لارتيا مدي يبان سسوي قريتين الوادا دغر وقالنا الليد نت أتي موسن سسوي دا يقلا في الصفتين أدا سوينيتي دغرة تنقول مدي ولان دغرة دغا الديمان مدغ اللغ نرت مدير يكيت نت مدير المونت نت المثال أراتن gharinen amaran wurhania wurnahanida ahan ihaniyandan tagaray adwin ahanenen mishan wurilenil kitabanan tagaray adag zagrin aratwa nifragadna niban nasusui filagana nagaraw antagaray da tarbiyat Merci Alamine Ouachar. Eh bien, on peut retenir que l'inégalité, n'est pas seulement en mathématiques où il y a des signes euh, supérieurs ou inférieurs, c'est aussi dans la société, dans la vie, à travers tes exemples. Eh bien, nous ne pouvons pas dire au revoir à nos auditrices et auditeurs sans pour autant laisser, enfin, aller écouter les messages laissés par nos auditeurs et auditrices. ni ne Muhammad dan kauye wanda nake bande mai gyaran salula gaskiya studio kalangu ina jin daɗin ta saboda ina sauraron ta ta hanyar eh, ikrawa fm eh, muna jin daɗin wannan tsarin da suke na malaika eh, fada muna jin daɗin wannan tsarin nasu gaskiya iya birgin sosai saboda malaika fada nan yana fahimtar da jama'a ana kula kan matasa sosai ina jin daɗin wannan al'amuran sosai muna bibiyar sau da kafa eh gaskiya ina so studio kalangu a ce muleka fada a ce an samu an ƙara mai lokaci saboda abu ne na fahimtar da jama'a sosai bayan nan haka kuma ina gaida dukkan 'yan kulab na cikin ƙasar bande sannan su ma'aikatan gidan rediyo na kalangu su ma ina gaishe da su eh, ina gaida maki usaini da dukkan sauran 'yan uwa aminai wanda suke sauraron mu ni ce zila mai rubuta katin zaɓe shugaba ta mata a kulaf na radio ikirawa bande to ni mai sauraron shirin kalanguci a radio ikirawa ni ina gaida maki usaini wanda yake radio ikirawa bande ina gaida hayyasu nital mata mai alkasim leguru mata mai da shamsu magawa ta dan sandan najeriya ina gaida shi da fatan alkhairi assalamu alaikum studio kalangu ni ne ibrahim yahaya fada 2020 premier cast nan buza shirye-shiryen nan da ake yi daga karfe 11 zuwa karfe 12 gaskiya suna karatar da mu sosai abun babu laihi dai abubuwan gaskiya suna ta da ya kamata gaskiya alhamdulillah na ismail abu nan nake tawa lallai na zan saurara studio kalangu amma wani biyu ana emission kina na cikin tele ina zan kallon shi to shiri na harkokin na matasa hakan ga shi ne jin daɗin shi kwa da information kin nan kuma haka eh, nan da sahen nan kwa amma nan muna son shi gaskiya rin ƙasa muna sauraron shi eh, muna maraba da shi muna so ne amma nan gaba a nan ga sashi kuwa kenan kuma abin nan ma ba mu jin daɗin shi mu da son dai a ce nan ma ana sashi a kulli yomi suna na isufu sai ne wanda ake da suna addiya wadda na saura studio kalangu studio kalangu yanzu sauraron ta dai da nake yi ko a komi an kai shekara biyar shirye-shiryen su ayi a bar magana saboda gaskiya har iya zan in lokacin su yayi in ban kamo su mashin daɗi gaskiya to abin da su su yara gudana banci lokacin da ake sa su in suna a ƙara wani lokaci wanda mu samu sauraron shirin daga burge ni kama shirin na suka na harka inci shi ga burge ni gaskiya Vous aussi, si vous avez des questions ou des messages à nous adresser, nous sommes au 82 89 89 64. Avant de se dire au revoir, recevons Rafika Attar pour les titres du soir. Bonjour Salamatu. Bonjour Rafifi. Euh, dans l'édition de ce soir, euh, nous allons parler du lancement officiel conjoint ce matin à Niamey du plan national de réponse du gouvernement et du plan de réponse humanitaire 2023. Nous parlerons aussi de deux des véhicules particuliers enlevés par des bandits armés à Arlit qui ont été retrouvés par la patrouille départementale mixte. Le préfet du département d'Arlit nous apportera plus de précisions dans le journal. Enfin, dans la partie magazine, nous irons à la découverte d'une tresseuse et tatoueuse au à abandonnée dans la les région de Zender. Merci Rafika Attaher, on se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Quant à nos auditeurs, ils te retrouvent ce soir pour l'édition du soir. À tout à l'heure. Allez, belle journée. Le Niger sur Kalangou de ce jour, c'est presque terminé, chers amis auditrices et auditeurs. Tout le week-end, les programmes du studio Kalangou continuent. Il y aura le forum en Hausa, le forum en Zarma, l'actu des jeunes, la Fada, et je vous retrouve avec deux chroniques super alléchantes. Chers amis, passez un excellent week-end. Et qui dit week-end dit de la musique, dit de la fête, raison pour laquelle nous vous proposons Guest Band pour vous accompagner. Au revoir et bon week-end aussi. <laughs>